la loi que nous-mêmes en tant que députés que nous avons voté benn nit warul parrainer ñaari candidat Soko défé mën nga am prison kasso bo xamné né mën nga am emprisonnement bo xamné né ne ba at te mën nga ci am amende bo xamné né ñaari junni ba 100000 francs mais man su lolu paré nous avons fait retirer les candidatures. après les élections présidentielles Nous avons déposé déposer bel projet de loi pour être candidat à l'élection présidentielle ndax avons 30 millions caution damay être candidat loolu dafa yomb trop daan bi ñu teg ci kaw électeurs yi qui ne sont pas des candidats à l'élection présidentielle qui parrainent les candidats Nous avons dañoo des daan ci seen kaw noonu la à l'élection présidentielle candidat à l'élection présidentielle bu on boo mënul 000 signatures Yo avez un mois un an de prison nga am amende nga am millions ba un milliard Nous xool ndax ñu nous.